le forum du studio le forum du studio Kalangou le forum du studio Kalangou le forum du studio Kalangou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalangou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Merci de placer votre confiance en nous en préférant les programmes du studio Kalangu Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au forum de Studio Kalangou, 18h15 à Niamey. Du lundi au vendredi, retrouvez les questions qui vous tiennent à cœur dans cet espace d'échange d'idées, le forum du studio Kalangou. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. 45 minutes, c'est le temps qui nous est imparti. Restez avec nous. Le forum d'aujourd'hui est consacré à l'accueil dans les maternités. Une femme sur sept meurt de complications liées à la grossesse au Niger, mais ce taux de mortalité maternelle qui exprime le nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes diminuent lentement selon l'OMS avec un taux de croissance de 3,9% par an, soit 7 enfants par femme. Plusieurs facteurs seraient à la base de ces statistiques, entre autres raisons le mauvais accueil dans les centres de santé. Dans certaines maternités publiques à Niamey, les femmes enceintes subiraient parfois un traitement dépressif déplorable au niveau de l'accueil. Ces centres sanitaires publics où l'État investit les moyens pour offrir la santé à tous regorgent de sages-femmes et autres agents de santé dont certaines et certains chercheraient querelle aux femmes qui les fréquentent. Ce genre de comportement si les vérifiés n'encouragent point la fréquentation de ces centres censés apporter euh, le bonheur en donnant de nouvelles vies, certains dispensaires euh, et hôpitaux publics seraient également dans cette situation désagréable. Pourtant, la population est encouragée ces derniers temps à travers des campagnes de sensibilisation à fréquenter les maternités publiques afin d'éviter les accouchements à domicile qui comportent des risques. Alors, quelles sont les raisons profondes de ce mauvais accueil? Quel est le processus à suivre jusqu'à la fin de l'accouchement? et comment dans quelles conditions se trouvent les centres de santé et maternité et comment amener les sages-femmes et autres agents de santé à mieux traiter les femmes et autres patients. Les réponses tout de suite dans ce forum autour de la thématique accueil dans les maternités dans une présentation de Diallo Mariama Kenda, coordination Diallo Boubacar, partie technique Seni Isaka, nos invités Aminatou Hashimou, président du réseau des journalistes pour la santé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Madame Gao Zara Issa, présidente des sages-femmes du Niger et directrice adjointe de la maternité Gazobi. Madame Gao Zara Issa, bonsoir. bonsoir. Et merci d'être là. Et le secrétaire euh, général euh, du SUSA s'entendait par la syndicat unique de la santé et de l'action sociale, Boubacar euh, Baobawa. Bonsoir, monsieur Boubacar. Bonsoir. Afin donc de faciliter la compréhension de ce thème accueil dans les maternités, nous parlerons en premier lieu de la consultation prénatale Ensuite, faire le constat sur le terrain et relever les insuffisances liées à l'accueil dans les maternités. Pour terminer, euh, proposer des solutions pour, pour rendre plus fréquentables ces centres sanitaires publics, les dispensaires et les hôpitaux publics. Mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, je demanderai à nos invités de présenter brièvement leur structure euh, euh, et les principales missions. Je commencerai par Aminato Ashiro, président du réseau des journalistes pour la santé. D'accord, c'est Madame, c'est Amine Hachoum Pahachirou. <laughs> Merci euh, pour la présidence euh, coordinatrice du réseau des journalistes pour la santé. Et c'est une association et un groupe de journalistes qui s'intéressent uniquement aux problèmes de la santé. Nous intervenons dans tous les domaines de la santé et nous faisons tout pour euh, une bonne amélioration de la santé de la population nigérienne. Par exemple, des émissions de sensibilisation, information, éducation, tout ça là par rapport à la santé, c'est notre euh, domaine d'intervention. Et nous, on a un journal aussi que nous éditons et que nous distribuons gratuitement. Alors, euh, Et un journal parlant Santé, il intervient uniquement dans le domaine de la santé et c'est de la sensibilisation et de l'information. Ah, Madame Gao Zaraïssa, donc présidente des sages-femmes du Niger. Bonsoir, donc euh, c'est Madame Gao Zaraïssa, présidente de l'association des sages-femmes du Niger. Donc euh, l'association des sages-femmes du Niger, c'est une vieille association et ça fait à peine euh, notre deuxième mandat au niveau de cette association. nous avons vraiment une mission d'assurer des prestations en gynécologie et en obstétrique, donc de plus haut niveau à la population, et surtout d'assurer des activités curatives et promotionnelles donc en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Juste une petite question, pourquoi cette nécessité d'avoir créé euh, ce genre d'association, une association des sages-femmes Bon, l'association, comme je l'ai dit, c'est une vieille association qui a été créée pour... Euh, et venir euh, donc euh, en collaboration avec euh, le ministère de la Santé et d'assurer des soins de qualité, comme je l'ai dit, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et en période postnatale aux femmes et s'occuper aussi de la santé des nouveau-nés et des enfants. Le secrétaire général donc du, du SUSAS le CISAS, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler du CISAS. Si vous pouvez revenir brièvement sur les différentes missions de ce syndicat. Oui, merci. à la lumière donc de tout syndicat, le nôtre dénommé CISAS, euh, syndicat inacte de la santé et de l'action sociale, nous avons la mission d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux. Ça, c'est une mission standard et d'autre part aussi de contribuer, spécifiquement dans le cas de la santé, à l'amélioration des conditions de vie, de travail et aussi à l'amélioration de la santé de la population en améliorant les services de santé et l'accès aux soins. Donc euh, le syndicat unique de la santé, il est unique. Son unicité s'est traduite par, vous allez trouver tous les corps. Tous les corps et toutes les catégories confondues, c'est ça l'unicité du CISAS De manœuvres jusqu'à l'agent de santé de quelle catégorie qu'il soit, en tout cas c'est ça notre, notre globalité. Et c'est un syndicat d'abord le plus ancien qui en 2017 eh, va normalement à son 21e congrès et quand vous prenez eh, un mandat de trois ans, vous faites multiplier par 20, vous allez voir que c'est le syndicat le plus ancien. C'est le syndicat du point de vue représentativité, international et national. En tout cas, il est implanté dans toutes les régions du Niger. Et pour d'autres informations, certainement, nous allons venir. C'est un syndicat qui aussi regroupe en son sein, qui il y a des femmes, il y a des hommes, et les associations socio-professionnelles, comme celle annoncée tout à, l'heure, l'association des sages-femmes, et œuvre aussi à côté du CISAS pour la complémentarité dans le cadre de la, lutte aussi. Alors, euh, quel est le rôle euh, de, la sage-femme Vous pouvez répondre à, la question. Vous avez la parole. Secrétaire général euh, du SUSAS, Boubacar Baobawa. Ok, vous savez, la sage-femme, comme on le dit, j'étais d'abord, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter l'hymne qui a été fait à la sage-femme, j'étais l'initiateur de ce thème pour dire que la sage-femme est une personne qui est formée pour pouvoir suivre l'évolution de la grossesse et pour pouvoir suivre aussi l'évolution de la pré grossesse et pour pouvoir aussi suivre l'évolution de l'enfant lui-même. Et c'est un être humain biopsychosocial qui a ces trois dimensions. Et quand on dit un être humain, le biopsychosocial, vous allez voir à chaque dimension de cette sage-femme qui est aussi un être humain comme n'importe quel agent vous allez trouver chaque être humain a une limite à travers ses dimensions. Donc, euh, euh, l'engouillement qui se fait sur euh, euh, l'accusation de tel ou tel comportement, comme vous l'avez dit, les mauvais accueils, on va... Vous, allez, oui, on va en venir parce que <laughs> le rôle fondamental de la sage-femme, elle est un agent de santé qui prévient, qui traite, qui fait la promotion des soins, qui fait la prévention des soins et qui fait aussi les curatif des soins. Donc, comme tout autre agent, voilà le rôle que la sage-femme joue. Elle ne donne pas la vie. Elle ne fait pas la vie, mais elle incarne quand même, puisque c'est la définition qu'il faut donner du terme, terme. sait ce n'est pas en voyant la sage-femme que vous, avez, qui vous allez avoir la vie ou vaincu, mais quand même, elle participe dans le cadre de tout ce qui est santé maternelle. C'est elle qui a l'expertise, comme on le dit. Aminatou Hashirou, je présente euh, c'est ça, je prononce bien cette fois-ci. Hashimou. Aminatou Hashimou, présidente du réseau des journalistes pour la santé. Mm -hmm. Et si on vous demandait de définir euh, la sage-femme Bon, ce c'est pas mon domaine d'intervention. Moi, je suis journaliste, je ne sais pas ce que c'est que la sage-femme, mais une chose est certaine la sage-femme, elle est là pour sécuriser la mère et son enfant. Au moins euh, avant et après l'accouchement. C'est la définition que je donne à la sage-femme. Madame Gao, vous êtes donc la présidente des sages-femmes euh, du Niger, euh, la sage-femme qui elle est censée être. Donc, euh, merci. La sage-femme, c'est ce professionnel de santé, comme a eu à le dire le camarade du CISAS. Donc, il y a le premier contact avec les femmes. Et quand on dit contact avec les femmes, ça veut beaucoup dire. Donc, ça, c'est vraiment une particularité pour elle. Et comme il a eu à le dire, elle ne donne pas la vie, mais quand même, elle entretient la vie. Elle aide la future maman, donc dès eh, la consultation prénatale, elle est chargée d'assurer le suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand on parle du suivi prénatal, donc euh, vous avez la prise en charge pendant les premières consultations. Elle doit établir donc un calendrier de visite avec euh, la future maman et maintenant aider à la préparation aussi à l'accouchement. Donc euh, à partir euh, de ce niveau, donc elle s'engage aussi à suivre donc la grossesse en prenant en compte euh, donc la prise en charge de toutes les complications qu'on va observer pendant la grossesse donc jusqu'à l'arrivée à l'accouchement. Maintenant au niveau de l'accouchement aussi, elle va diriger l'accouchement Hein, elle va prendre euh, donc en charge tout ce qu'il y a comme euh, travail d'accouchement, arriver à l'accouchement, la surveillance de l'accouchement jusqu'à la surveillance en, euh, en suite de couche avant la sortie de la mère. Maintenant, à partir de ce niveaux aussi, elle va continuer, puisque le travail ne s'arrête pas là. Quand on dit contact là, c'est vraiment jusqu'à la ménopause. La sage-femme là doit être avec les mères, avec les femmes. Alors parlez-nous de cet suivi de, la grossesse. Donc euh, le suivi de la grossesse, euh, c'est les consultations prénatales, comme j'ai eu à le dire. La femme, dès qu'elle euh, constate qu'elle a un retard au niveau de ses menstruations, de ses règles, donc elle doit s'adresser à la sage-femme. Et c'est la sage-femme maintenant qui va déterminer si c'est une grossesse ou non. À partir du moment où elle constate que c'est une grossesse, donc il y a tous les examens qu'il faut donner à cette dame. Il y a toutes les visites, il y a tous les conseils qu'il faut donner pour que la, la grossesse puisse euh, se dérouler normalement. Et ça, c'est tout au long de ces neuf mois C'est tout au long de ces neuf mois. Et ça, c'est le travail de la sage-femme. Je l'ai dit tout à l'heure, on, enregistre énormément de plaintes contre les sages-femmes. Nous avons rencontré donc euh, une femme dans les rues de, de qui nous raconte le traitement qui lui a été réservé lors euh, d'une consultation. On l'écoute. Nous avons effectivement beaucoup entendu les femmes se plaindre des sages-femmes de la maternité poudrière. Personnellement, j'étais une fois allée accompagner ma fille enceinte de trois mois. Elle saignait abondamment. La sage-femme m'a demandé de faire une échographie que j'ai eu du mal à faire d'ailleurs parce que c'était un week-end. De retour le lendemain, à peine je lui ai remis les résultats, elle jeta un coup d'œil et nous nous demanda, sans explication, avec dédain, d'aller à la maternité Gazobi en nous refoulant avec les gestes de la main. Elle nous demanda ensuite de ne même pas essayer de lui poser des questions car toute tentative serait peine perdue. Elles ont un langage grossier et elles sont irrespectueuses avec tout le monde. Elles n'ont de considération pour personne. Elles oublient le serment d'Hippocrate. Elles doivent arrêter de traiter les femmes ainsi et leur mauvais comportement. Alors, vous venez d'entendre le témoignage de, cette femme qui, raconte le traitement qui lui avait été réservé lors d'une consultation. à Minato Hashimu, président du réseau des journalistes pour la santé, est-ce que vous, euh, vous avez noté, vous avez fait ce constat euh, sur le terrain j'ai fait plusieurs constats et d'ailleurs c'est notre association qui était la première association à dénoncer certains comportements, certains comportements des sages-femmes parce que j'ai vu des personnes qui sont victimes, des femmes qui sont victimes et personnellement moi-même j'ai été victime de la même manière dont elle a traité la même femme là. Ma fille a été traitée de la même chose et de la même façon. Et vraiment, c'était dommage. C'était dommage. Mais nous, euh, auparavant, quand on dénonçait les comportements, les gens pensaient que nous, on est là pour un sabotage ou bien nous sommes en train de salir les sages-femmes. Nous, en réalité, c'est pour corriger leur travail. Alors, revenons un peu sur euh, euh, le fait que votre fille soit victime. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en quelques peut minutes En réalité, on était dans une petite maternité du quartier et ils nous ont transférés parce, parce qu'elle a eu un problème. Elle a commencé, la tête a commencé à sortir. La fille ne pouvait plus pousser. pousser. Et si elle ne pouvait pas pousser, donc ils nous ont envoyés à la maternité pour dire peut-être là-bas, ils ont la possibilité de faire sortir facilement l'enfant l'enfant entre les jambes de la fille, on l'a prise de la maternité d'Angaou à la maternité poudrière. Arrivé à la maternité poudrière, je vous dis que la sage-femme n'était même pas sortie, on était accompagné par une autre sage-femme de la maternité d'Angaou. Elle est partie dire qu'on a une urgence. Et la sage-femme qu'on a trouvée n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a Elle a dit que ne reçoit ne personne. Vers 23 h allez-y à la maternité et, centrale. Et là, on parle de la maternité poudrière. Là, c'est la maternité poudrière. Et moi, je suis sortie, j'étais dans l'ambulance et je suis sortie. Je leur ai dit tout ce qui va advenir à ma, fille ou bien à son enfant, je veux porter plainte contre la maternité. Au moins, sortez, regardez, ça me soulagera au moins un tout petit peu. Mais assis sur ta table, tu nous dis que vous, vous ne recevez rien. Ah, nous, ce ne sont pas, ce sont des consignes qu'on nous a données, madame accepter les choses, c'est comme ça. Et on est reparti au niveau, elle a accouché de l'ambulance au niveau de Rampoint point église. Et j'ai demandé au chauffeur de faire des tour de retourner à la maternité Encore, Je ne veux plus de la maternité centrale, je préfère retourner là, parce que Dieu a fait ce qu'il avait fait. Merci Dieu. Et on a retourné, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, et c'est euh, ma propre fille. Hein. Un témoignage euh, poignant. Euh, Monsieur Boubacar euh, Baubawa donc euh, syndicat, euh, secrétaire général du SUSAS, et tout à l'heure, <laughs> vous vouliez anticiper sur ce constat. Qu'avez-vous à dire en ce qui concerne ces témoignages et aussi cette pratique des sages-femmes Donc, merci. Et puisque nous sommes spécialement sur les volets sages-femmes, nous allons rester. Et pour dire que les témoignages que nous venons d'entendre, il y en a plusieurs autres. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Ce qu'on verra certainement sur le terrain, vous allez voir que c'est même pire que ce que nous sommes en train de voir. Mais il faut que qu'on arrive à avoir aussi d'autres témoignages, parce que nous aurons souhaité, à chaque fois qu'il y a un témoignage négatif, qu'il y ait un témoignage positif, parce que ça va ah, permettre. Alors, on va en avoir ici, dans ce studio, tout à l'heure. Euh, ces témoignage négatif, je vous dis, ce n'est pas un montage. Puisque la personne l'a très bien dit. Elle a parlé et elle peut répéter. Dès lors que vous acceptez qu'on vous ah que c'est du concret. Amine qui vient dans le studio aussi rappeler la même chose. Ce n'est pas un montage. Et je vous avoue que cet état de fait est une préoccupation et pour le syndicat que nous gérons et pour l'association des sages Parce que ça nous a amené à faire en collaboration avec euh, l'Organisation mondiale de la santé, donc le siège qui la, la, représentation nigérienne, et avec le ministre de la Santé actuel. Et nous avons même rapproché la Commission nationale des droits humains, CNDH, et nous avons aussi rapproché la, coordination intersectorielle contre le sida. Nous avons eu, avec aussi l'appui de notre propre caisse de SUSAS, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur les pratiques déviantes. Et ces pratiques déviantes, comme je dis, ça concerne tous les corps. Mais si on reste spécifiquement sur les femmes, effectivement, il y en a assez de plaintes. Il faut c'est de la vérité. Il y en a assez de plaintes. Les plaintes sont diverses et sont multiples. Euh, Madame Gao Zaharatou, donc présidente des sages-femmes du Niger, euh, vous êtes aussi la directrice adjointe euh, de la maternité Gazobi. Dans quelles conditions les femmes arrivent dans, dans ces maternités. Donc, euh, au niveau de la maternité Issa Gazobi, vous savez, c'est une maternité de référence. Donc, euh, normalement, c'est uniquement les prises en charge d'urgence qui doivent attirer au niveau de cette maternité. Mais comme euh, on a l'habitude de dire que tout le monde peut choisir son médecin traitant, donc il y a des femmes quand même qui viennent d'elles-mêmes. Ce qui fait que nous enregistrons donc des accouchements par césarienne de, l'ordre de 65%. Et le reste, donc, c'est des accouchements normaux. Alors, 65%, c'est un taux qui est élevé Bon, c'est pas élevé pour une maternité de référence parce qu'on n'a pas atteint encore le taux de césarienne d'une maternité de référence normale. Sinon, ça doit être vraiment dans les 5%, mais on avoisine 2% quand même au niveau de la maternité Gazobi. Alors, euh, quand une femme arrive euh, au niveau de la maternité Gazobi, je parle d'une femme qui est en travail, qui, qui est sur le point peut-être d'accoucher, et de quoi a-t-elle besoin quelle est la, procédure à, suivre Bon, comme euh, on parle d'un sujet qui est vraiment très important et au niveau de la formation sanitaire, elle a besoin d'être bien accueillie. Bien accueillie, qu'est-ce que ça veut dire L'accueil, donc, c'est vraiment le premier contact d'un professionnel de santé avec euh, un client et tous ses accompagnants. Donc, il a besoin vraiment de ce climat de confiance pour qu'il puisse euh, vraiment pouvoir dissiper sa peur. Parce qu'il arrive dans un environnement qu'il méconnaît. connaît. Hein, il a besoin d'être soutenu, lui et sa famille, pour euh, vraiment avoir euh, tous les soins nécessaires pour qu'il retrouve sa santé. Alors, la procédure à suivre, est-ce qu'il y a une procédure spéciale les, cas sont traités selon les, urgences. Comment ça se passe Bon, vous savez, quand vous arrivez au niveau de la maternité il y a plusieurs services. Donc pour euh, ceux qui arrivent en urgence, il y a un service d'urgence donc euh, composé de plusieurs agents, des sages-femmes, des médecins et des infirmières, donc euh, vraiment toutes catégories confondues. Et arrivé à ce stade, donc il y a un tri qui se fait. Hein. Si c'est vraiment une urgence, donc là, on oriente en fonction du diagnostic, donc en fonction de la prise en charge. Si c'est un travail d'accouchement, il y a, aussi là où on oriente la femme, là où elle doit être suivie jusqu'à faire son accouchement. Qu'est-ce qui expliquerait l'attitude de certains agents de santé pour Dr Maman Sani, responsable de la maternité Yantala Plusieurs facteurs sont à la base de ces désagréments. Écoutons-le. S'il faut euh, diagnostiquer les problèmes, il peut se situer, en tout cas moi je dirais, à plusieurs niveaux. Parce que c'est vrai, pour le commun des mortels qui vient dans une maternité pour accoucher, il va se dire que le problème de l'accueil, c'est l'agent de santé. C'est vrai, c'est un des acteurs, et pour ne pas dire principal, n'est-ce pas, de l'accueil. Du point de vue comportement, il peut effectivement être concerné. Alors il y a d'autres aussi facteurs que même si la personne est de bonne volonté pour pouvoir effectivement fournir ses prestations, n'est-ce pas, de soins à ses patients, il est limité ce qui m'amènera à parler du deuxième facteur, c'est-à-dire les ressources. Vous allez partir dans nos maternités, vous allez trouver que les ressources manquent. Vous allez partir, il n'y a pas de matériel d'entretien, de matériel d'hygiène. Vous êtes d'accord, dans une maternité, il faut avoir suffisamment de, savon, il faut suffisamment de détergent, il faut avoir suffisamment de l'eau de javel et pour pouvoir effectivement nettoyer. Vous allez partir dans une maternité où un tensiomètre manque, où il y a deux lits d'accouchement pour plusieurs femmes. Nous sommes dans un centre urbain. Il y a des maternités qui ont un ou deux Et les autres sont obligés effectivement d'être réussis quelque part. Et là, peut-être les gens peuvent interpréter ça autrement. Le troisième élément, peut-être sur le paramètre. même, parce qu'il y a des fois des problèmes de communication, des problèmes de compréhension. La question de l'accouchement, c'est une science. C'est l'agent de santé, c'est la sage-femme ou le gynécologue ou l'agent qui est appelé à faire accoucher cette femme comprend qui est plus urgent par rapport à l'autre. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils vont peut-être venir devancer quelqu'un, mais la sage-femme va se dire qu'une qui vient juste d'arriver va être dans une situation situation urgente où il faut la prendre légèrement et les gens vont dire que ben voilà, la sage-femme a fait, n'est-ce pas, passer une autre qui est venue après et ils peuvent comprendre cela et les parents interviennent. Il y a aussi des parents, dès qu'ils viennent, ils pensent que le matériel peut faire les choses, ils interviennent avec leur boubou, avec leur véhicule, ils peuvent passer pour qu'effectivement leurs parents soit pris rapidement en charge. On a l'habitude de dire, n'est-ce pas, que guérit à 50% et c'est pas fortuit. Docteur Maman Mansani, responsable de la maternité, Yantala. Alors, euh, je reste avec vous, Mouvakar euh, euh, Baobawa, pour vous demander est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliqueraient cet accueil dans les maternités <coughs> Ok, moi je pense que l'accueil au niveau des maternités, il faut qu'on soit beaucoup plus honnête avec soi-même parce qu'une maternité, quand vous venez, vous venez pour juste pour une chose bien définie. Vous venez, vous avez amené la femme, soit c'est pour accouchement, soit pour un problème de grossesse. Et cet accueil, je pense qu'il doit aller dans le sens de la conscience professionnelle de nos camarades. Il faut dire la vérité. Puisque tous les éléments que je viens d'entendre, qu'il n'y a pas de détergent, mais ce ne sont pas des éléments qui rentrent j'ai entendu, il a bien sûr, ce ne sont pas des éléments qui rentrent dans l'accueil, mais c'est des éléments qui rentrent dans la prestation des soins. Ça, il faut le dire. Donc, accueillir le malade, en définition, qui dit accueil, dit réception d'un autre qu'on attend. Et l'autre attendu ici, en matière de maternité, c'est la femme, soit qu'elle est enceinte, soit qu'elle vient avec alors, si on peut reformuler, si on mhm. peut reformuler, est-ce que le fait que souvent ces femmes euh, ou ces patients qui, vont vers ces maternités n'arrivent pas à être servis euh, correctement, vous parlez de prestations de, services, est-ce que là, on pourrait parler de, l'équipement, euh, de tout ce qui, de tout ce qui s'accompagne des produits dont parlait le docteur tout à l'heure. Regardez, nous sommes en train de dire les femmes sont mal accueillies dans les maternités. Restons sur, cette variable, vous allez voir, c'est quoi être mal accueilli ou bien accueilli dans une maternité. Je dis bien, on parle des sages-femmes. Dans les maternités, il n'y a pas que des sages-femmes qui travaillent. Mais quand on dit au niveau des maternités, on est mal accueilli, ça veut dire qu'on est venu avec une grossesse. Ce qu'on connaît le plus rituel possible, c'est l'accouchement. La femme est venue pour accoucher, elle est mal accueillie. Elle est mal accueillie c'est ce genre de comportement où on vous dit ne me pose pas la question, va à tel endroit, va à tel endroit. Ça, c'est comportemental. Et ça n'a rien à voir avec, je dis bien, du matériel. Mais quand on dit la prestation de soins, et la prestation de soins, quand une femme vient pour accoucher, et qu'on l'accueille bien, qu'elle trouve que effectivement, il n'y a pas une autre femme qui est sur la table, c'est elle qui est accueillie. On la met sur la table, on l'examine, on dit, Madame, vous êtes une profane de l'accouchement votre évolution du travail, nous sommes à tel doigt. ça c'est le ça c'est personnes qui le dit, nous sommes à tel, doigt, tel doigt, tel doigt. ça c'est la définition de, qui le donne la sage-femme. Ça veut dire que vous avez un peu du temps qui va vous rester pour accoucher, vous avez un peu du temps qui va vous permettre de bien accoucher, vous avez la position de l'enfant qui est normale, qui a la position, c'est ça hmm? c'est ça la communication qui fait en sorte qu'il y a l'accueil. Mais quand vous venez, si on ne vous paie pas tout ceci, on se réfère au témoignage fait par cette femme-là qui dit Non, allez-y faire l'échographie. Vous venez, allez-y voir un test. Ça, ce n'est pas des éléments de l'accueil. Et quand madame l'a dit, à la maternité Saint-Gazoubi, normalement, dans les conditions normales, toute femme qui parle là-bas doit être référée d'abord. Normalement, c'est une maternité de référence. Ça veut dire qu'il y a un document qui dit que ah, la femme, la fille qui avait amené Poudrière voilà les conditions pour lesquelles Poudrier ne peut pas gérer cette femme. Allez-y, avec un papier, pas verbalement. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est verbalement qu'on dit qu'il faut aller à tel endroit. Alors, euh, euh, présidente euh, du réseau des journalistes pour la santé, Aminatou Hashimou, est-ce que vous êtes d'avis que la prestation de, de services ou l'accueil, je veux dire, sont deux choses très différentes et que ces sages-femmes peut-être se comportent ainsi, pas euh, pour ce manque d'équipement euh, au niveau des maternités Bon, l'accueil, c'est un comportement. Hein. L'accueil, c'est un comportement. Et dès qu'il n'y a pas bon accueil, je suis sûre que la prestation même elle-même, elle doit être nulle. Parce que c'est l'accueil, c'est le début. Parce que comme le disaient les médecins, et l'accueil guérit à 50% un malade. Et tu as, tu à 50%, tu es déjà détruit ou détruite. Mais comment est-ce qu'on va te guérir Il n'y a pas de guérison. Deuxièmement, par rapport à l'accueil. Bon, maintenant, moi, je pense que avec tout ce qu'on est en train de faire comme tabage médiatique, sensibilisation, eux, ils ont fait leur sensibilisation. Nous aussi, on continue à dénoncer parce que nous, notre devoir, c'est quoi C'est d'informer les autorités et les responsables par rapport à certains comportements. C'est ça notre devoir. Nous, c'est ça qu'on est en train de faire en tant que réseau de journalistes. Parce qu'il eh, y a des comportements que n'importe qui, n'importe quelle réunion, n'importe quel procès verbal ne peut pas informer ni le ministre, ni le directeur ou bien la directrice. Donc nous, on est obligé de prendre le relais, le relais, pour informer les responsables par rapport à certains comportements des sages-femmes que les responsables ne sont pas au courant. Et vraiment, vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Il y a parce que même ça fait pas une semaine, et, une femme, je ne la connaissais pas, elle m'a appelée et elle nous a félicité et elle a félicité le ministère de la Santé. Parce qu'il faut que le ministre nous écoute d'abord pour qu'il y ait un changement. Qu'est-ce qu'on soit c'est que nous, on va faire. Alors, euh, euh, nous allons revenir sur ces changements et sur les actions qui ont été posées pour parvenir à, à cela. Les, plaintes ne sont pas seulement du côté des patients, certaines sages-femmes ont du mal avec les, accompagnantes, euh, témoigne cette bénévole de la maternité Yentala. On n'a pas de difficultés avec les patientes, mais avec les accompagnantes, franchement. Parce qu'elles viennent, elles accompagnent, elles refusent de respecter l'ordre du lieu. Tu amènes ta femme, tu vas être obligé, tu vas rester sur elle. Alors que si l'accompagnante de chacun lui de rentrer dans la salle, ça ne sera pas possible. Parce que c'est une salle euh, unique pour plusieurs femmes, c'est ça Oui, effectivement. Pour parler d'équipement, tout va bien, vous n'avez pas de problème d'équipement Bon, pour ce qui est de l'équipement, on a le, maximum. Hein. Seulement, le problème qu'il y a, c'est celui des bénévoles parce qu'on travaille sans rémunération. Depuis des années, tu que chez toi, tu laisses tes enfants et puis tu descends le mois, et rien. Et tout ça peut être un facteur qui décourage euh, ces, ces bénévoles. Il y a un manque de personnel. Ce sont les bénévoles qui font le maximum de travail sans rémunération. Il faut voir quand même. Alors, euh, nous venons d'écouter euh, cette bénévole de la maternité. Yantala, est-ce que le manque de, personnel pourrait expliquer aussi la qualité euh, de prestation des, services hum, Madame Gao Zaharatou, donc présidente des sages-femmes du Niger. Donc, on ne peut pas parler du problème de manque de personnel qui va influencer sur la qualité des soins. Sinon, quand vous prenez les structures où il y a un seul agent qui fait tout le travail, c'est vrai, des fois, il faut essayer vraiment de mettre euh, les normes au niveau des ressources humaines pour euh, faire le travail. Mais quand même, euh, il faut essayer de faire un don de soi aussi. Donc, pour ce qui est du personnel, et au niveau du ministère de la Santé, est en train de revoir maintenant par rapport euh, à la révision des normes au niveau de chaque, chaque structure de santé. Donc, euh, et au niveau de la case de santé, donc euh, au niveau de toute la pyramide sanitaire pour pouvoir tenir compte donc du paquet d'activités de chaque structure et disposer d'un personnel suffisant pour faire les prestations. Alors, euh, Boubacar euh, Baoubawa, donc euh, secrétaire général du, du ce syndicat unique, par rapport à cette question de, bénévoles, vous l'avez entendu, ce cri de cœur que lance cet bénévole, est-ce que cela aurait un impact en réalité sur le travail dans ces maternités eh, Merci. J'aurais vraiment souhaité avoir assez de temps pour parler de la problématique des ressources humaines puisque euh, quand vous voyez, il y a une situation qui a été présentée, pas à Bobawa seulement, mais une situation qui a été présentée à tous les partenaires, qui en majorité, les agents de santé étaient concentrés dans les centres urbains, en majorité. Et quand on parle de bénévolat, effectivement, le bénévolat n'est qu'une préoccupation de soi-même. N'est qu'une préoccupation ou bien une occupation de soi-même parce que quand vous prenez depuis 2012, il y a assez de maternités ou de CSI qui ont connu des maternités de quartier. Avant, on peut les citer. Vous partez Madina, Dangao, Darassalam, c'est tout. Madina, Darassalam, c'est presque les seules maternités et, et, Aujourd'hui, dans presque tous les CSI, vous allez trouver une maternité et avec des agents. C'est vrai, les bénévoles, quand n'y a rien à, quand tu n'es pas recruté et que tu as ton diplôme, tu fais ta demande, tu pars, tu fais bénévolat. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, je dis bien, à l'image de certains pays, on devrait faire en sorte, parce qu'actuellement, je vous dis, de voler sage femmes les, personnes, il est Même pas à Niamey, dont je parle, où c'est tellement concentré, mais quand vous partez dans les, grandes villes ou à l'intérieur du pays, à l'image du Sénégal, vous allez voir chaque CSI, chaque centre de santé intégré a au moins une sage-femme au moins une sage femme. Malheureusement, aujourd'hui, le constat, puisque nous sommes en train de faire le constat, ce n'est pas le cas au Niger. Au Niger, vous allez trouver des districts en entier qui n'ont que des sages-femmes bénévoles, qui n'ont aucune sage-femme qui, est titulaire. Alors, comme elle l'a dit, les bénévolats, ça décourage. Ça décourage parce que ici, c'est volontairement que tu es arrivé et dans l'espoir qu'un beau jour que tu sois recruté. Donc, nous, nous pensons que ces là doivent être mais peut-être une source de motivation quelconque, en tout cas pour les agents qui se sont donnés le don de soi-même. Puisque ce n'est pas n'importe qui qui fait bénévolat. Ah, alors, euh, que fait votre syndicat Je parle du, SUAS SUSAS pour améliorer euh, les conditions dans lesquelles travaillent ces, bénévoles. Ok, bon, les conditions de travail, euh, nous étions en négociation avec le ministre et même ce vendredi, le comité de suivi du, du protocole et va encore se retrouver pour parler des éléments qui comportent, en tout cas notre protocole d'accord, dans les éléments pour lesquels je cite le recrutement des agents de santé. Et je pense que le SUSAS est en train d'amener eh, les partenaires à comprendre qu'effectivement il y a une nécessité. Ce n'est pas parce qu'il y, y, a eu recrutement en 2011 ou 2012, non. Chaque fois la population augmente. Nous sommes à 17 000 habitants, 17 millions plutôt environ, ou 18 millions ou 20 millions. Je pense que le recrutement à fonction publique est un recrutement qui doit être une solution, en tout cas, à cela. Et par rapport aux bénévoles, effectivement, vous avez vu au niveau des, auxiliaires, c'était devenu juste un petit critère, il faut être bénévole. Mais nous avons dit, au fait, ce n'est pas ça. Il faut faire un répertoire de ces agents, un répertoire de ces agents pour voir est-ce que réellement, comme nous l'avons dit par ordre de mérite, il faut encore décentraliser les postes jetaires pour permettre à telle sage-femme, si elle est prête à aller travailler à DIFA, là, on va lui faire son poste jetaire à DIFA, elle va aller travailler. Les jours où elle va quitter, elle quitte, elle laisse, et que quelqu'un d'autre, là, ça va donner une solution. En tout cas, voilà, en tout cas, euh, l'image. Mais pour le moment, nous sommes en train vraiment de nous battre pour qu'il prenne un recrutement. Et si c'est un concours, que le concours soit fait et que l'affectation soit faite par ordre de mérite. Est-ce que toutes les maternités euh, décrivent euh, cette même situation désagréable euh, Oui, non. Par contre, la maternité Yantala, nous avons échangé avec une, une, jeune mère de 21 ans. Elle a été conduite le dimanche à 23h à la maternité et a accouché le lundi à 7h30. Pour elle, tout s'est bien passé. À la maternité Yantala, les sages-femmes sont patientes et professionnelles. Avant l'accouchement, elles m'ont fait faire de longues marches. Tout s'est bien passé. Elles m'ont prodigué des conseils et m'ont encouragée avec beaucoup de douceur tout au long de l'accouchement. Je n'ai eu aucune difficulté. Elles ont pris soin de mon bébé et moi. Elles savent accueillir le client. Nous avons donc recueilli euh, ce témoignage de, cette jeune mère, euh, je le disais, euh, qui en tout cas parle du, bien des sages-femmes de cette maternité. Je donnerai donc la parole à Minato Hashimo pour nous faire peut-être le constat, pour dire qu'il y a certaines maternités où les sages-femmes quand même exercent bien ce métier. En tout cas, même moi, j'ai fait beaucoup de remarques après tout ce qu'on avait fait comme travail avec le syndicat et les sages-femmes. Et il y a eu beaucoup de changements, sincèrement. Et je vous ai dit que, bon, moi, j'ai reçu une information, je n'ai pas vu le journal. C'est même une enquête, enquête internationale, c'est même pas le Niger qui avait fait l'enquête il y a eu un changement par rapport à la mortalité euh, à la mortalité, la morbidité, je ne sais pas, la mère et l'enfant pendant l'accouchement, tout ça, Je ne sais pas comment, c'est vous qui connaissez le terme. Il y a eu une baisse du taux de mortalité et de morbidité. On l'a signifié au début de l'émission. Euh, euh, deuxièmement, et, par rapport à la longévité de vie de la femme, surtout les femmes qui meurent pendant l'accouchement ou bien les enfants qui meurent pendant l'accouchement, il y a eu une augmentation, une longévité de vie de 10 ans par rapport à l'enquête qu'ils ont fait au Niger seulement parce que eh, c'est une enquête qui a été faite sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai pas vu le journal, c'est quelqu'un qui m'a. Euh, la source. J'ai pas vu le journal personnellement, mais on m'avait appelé pour m'informer et nous féliciter et féliciter le réseau et surtout le ministre de la Santé. Parce que quel qu'en soit ce que nous, on va créer, on a créé pour longtemps comme euh, les autorités n'ont pas voulu, il n'y a pas eu de changement. Maintenant qu'ils ont accepté d'être avec nous, vraiment, il y a eu un changement. Sincèrement, il y a eu un changement. Et moi-même, je fais le constat sur plusieurs maternités, mais il y a toujours, il y a toujours la maternité poudrière qui ne change pas. Alors, euh, est-ce qu'on peut parler euh, de, de manque de, de, formation ou de qualification de ces sages-femmes qui ne qui, n'exercent pas bien euh, leur, travail La Madame Gao Zaharatou, donc présidente des sages-femmes du Niger. Merci, merci. En tout cas, vous savez, le comportement là, comme moi, on a eu à le dire, c'est inné. Sinon, les formations ne manquent pas du tout. Il y a toujours dans les plans d'action de chaque structure l'accueil qui est inscrit au premier lieu des formations que doivent recevoir les agents au niveau des structures. Les sages-femmes sont bien formées. Les sages-femmes sont bien formées et au niveau des associations et du syndicat, nous avons euh, un programme vraiment de mener des conférences rien que sur l'accueil et la communication en milieu sanitaire. Donc au cours de chaque occasion, on en parle, on en parle. Et à travers aussi notre fête du 5 mai, la journée internationale de la sage-femme. Donc c'est un sujet qui revient tout le temps, l'accueil et le respect de la déontologie de la sage-femme. Donc ce n'est pas un problème euh, de formation qui fait que le personnel est assurer un mauvais accueil au niveau des agents. C'est un comportement qui est là. Vous savez, on parle toujours de mauvaises graines euh, de haricots qui pourrit tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment ces occasions et on en parle vraiment. Sinon, j'ai eu à le dire, donc. Euh, notre mission, c'est d'assurer toutes les formations qu'il faut aux sages-femmes et d'assurer aussi vraiment le suivi de tout ce qu'ils font comme activité, mais nous avons aussi ce droit d'attirer leur attention par rapport à certains comportements. Alors, euh, nous avons juste deux minutes pour terminer cette émission. Boubacar euh, Baobawa, secrétaire général du SUSAS, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour euh, changer cette situation Ok, merci. je résume en disant que plus de 80% en tout cas des sages-femmes qui travaillent à Niamey, puisque c'est le cas de Niamey que nous sommes en train de dire, d'abord sa mère, elle savent c'est quoi un accouchement. Donc, ce n'est pas une question d'abord de formation. Et j'ai dit pour ça, qu'il faut, il faut une synergie. La synergie, je vais la décrire, c'est population, État et collectivité. Tout ce que nous allons faire dans le cadre de la santé, tant que l'État, à travers le ministère de la Santé publique, qui vient instaurer un système, en tout cas, d'affectation au niveau de ces maternité, du personnel qui doivent assurer la garde, qui est avec elle, les inspecteurs qui sont en train de voir si un tel à tel, même les calendriers ont été fournis. Et si il met en œuvre, en tout cas, cette, cette démarche, il faut que la population accueille ça. En, fait, en quoi faisant Il faut que la population donne le don de soi-même pour dire que, écoutez, nous devrons accompagner les agents de santé. Mais si la population crée un conflit entre elle et l'agent la, de santé, ce n'est pas bon. Amir l'a dit, quand vous constatez quelque chose qui ne va pas, vous dites à l'agent ou à la sage-femme, ce que vous faites là n'est pas bon, regardez mon âge, ou bien regardez, mettez-vous à ma place, ou me mettez votre propre à, à ma place, ça va changer. Les collectivités, on a vu des collectivités, des <laughs> maternités. Je vais finir des maternités. 10 secondes, oui. Oui, 10 secondes de maternité où les femmes sont agressées. Il n'y a même pas de gardiens, il n'y a même pas de ceci, il n'y a même pas de cela. La faute est donc partagée. C'est la fin de cette euh, émission. On retenait que le mauvais accueil dans les maternités donc sont, euh, est un constat réel. Il n'en demeure pas moins qu'il existe euh, certaines exceptions. Il faut noter que plusieurs facteurs euh, sont à la base, euh, tels que le problème de ressources humaines et de cette situation désagréable. Pour résoudre le problème euh, de l'accueil dans les maternités, il faut donc une synergie d'action, agents de santé, population, syndicats et État. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'étais en compagnie de Aminato Hashimou, président du réseau des journalistes pour la santé, Madame Gao Zaharatou Issa, présidente des sages-femmes du Niger, et le secrétaire général du SUSAS, Boubacar Baobawa.